Salut les amis de eSport TV et de Barbe Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci Louis des likes, merci Louis des abonnés. Merci également. Dis bah ici les commentaires, un plaisir renouvelé. Chaque fois, de partager des informations et inbox sénégalais. Fait pour les Monténégrins, hein. 14 régions du Sénégal. Rokhroukhari, Gorgokhari, Nyinglendi Djadjoufel, Nynek également, qui l'hôpital et sécurité du février.

L'actualité en continu, gars. Actuel de Newfoundland Wartani, le Real Madrid, avec Yann Mbappé qui marque un doublé, Youssouf Sapali, Sabali, le Lyon à aller chercher, mais également du Paris Saint-Germain avec Barcola, dit mec leader du championnat de France. Justement, Barcola, Barcola Bradley, hein, actuellement meilleur buteur hein, du championnat français, Boybi, il est exceptionnel. On a connaît un Boybi, man Kylian Mbappé par rapport à son style de jeu et tout. Il est en train de progresser. Boy, le en comme ñëpp gën yu bu fekkee ne Paris Saint-Germain deful erreur bi ñu defoon may ko temps bañ ko teg pression c'est un gosse bon il peut beaucoup beaucoup apporter au Paris Saint-Germain moo tax daaw ñu demoon du côté de l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain actuellement leader hein, du championnat de France avec 11 euh, 9 euh, points plus tôt. Marseille top Agnant Monaco lance LOSC Saint-Etienne Angers euh, bu Kingham, donc Montpellier également Toulouse le Real Madrid qui régale mais également qui Yann Mbappé qui marque son premier doublé au niveau du Santiago Bernabeu face au Real Betis de Youssouf Sapali Sabali King donc Vinicius Junior a participé à ce festival en donnant le penalty

magique de la Casa Blanca kii nag di Kylian Mbappé tamit dellu si na parce que gars yi wax naan problème am na diggante Vinicius ak Mbappé Mbappé ne sama diggante ak Vinicius amul benn problème ñu ñaan ñëpp ay jeunes lañ la ñu nekk star moo tax nit ñu nag di wax ay wax yi mais on a pas de problème du tout amuñu benn problème bu gars yi créé benn problème donc seen diggante ay leader lañ Vinicius bien parti pour être le ballon d'or 2024 pendant ce temps Fede Valverde Valverde hein, Valverde le nouveau patron du milieu de terrain du Real Madrid avec le numéro 8 de Tony Kroos Valverde actuellement c'est le meilleur joueur pour l'instant ni euh, du Real Madrid en ce début de championnat Mumsa Kholen Dalam il a écrit sur son sur ses chaussures gay yi Qui dit Toni Kroos Le crampon également c'est un fan de Tony Kroos mais également Khamna yan Ginko Dadi mais également euh, Nek ce sera difficile mais Valverde est en train de faire un championnat exceptionnel en tout cas début 8 qui également dit Dani Ceballos il a été titulaire préféré à la place de Arda Guler, à la place de Modric également Momdal aujourd'hui il a joué son 150e match l'Espagnol Dani Ceballos mais il a avant mercato bi il jeex dafa doon wax le classement le voici Barça mon équipe 12 points top Real Madrid 8 points moo Atlético de Villarreal Bougnon Pap Alassane Nerset gauche magique football top révélation du championnat mais également parenthèse le ténor le lion de la Teranga le lion rouge a rugi aujourd'hui au niveau du stade Santiago Bernabeu qui dit Youssouf Sapali Sabali le droitier le gaucher droitier de l'équipe nationale du Sénégal polyvalent gars yi nañu dem jëli Youssouf Sapali Sabali nañu dem jëli Youssouf Sapali Sabali xawma la lako el tactico def xawma ma moom moo bëgg bay wala blessure mi mi don tek motax tax mu bëgg a ci mais aujourd'hui il a encore montré que ne waa le Sénégal a besoin de lui ay way gay yi jëli leen ko jëli len ko bu jëree sax ki nga donc président de la République dem de <laughs> vol dem jëli Sabali na parce que le gars il est exceptionnel c'est le métronome de cette équipe du Betis mais également du euh, Sénégal ba tax Real Betis moom lañu tam mu nekk MVP hein. moom lañ tam mu nekk homme du match ben action rek le Vinicius def ci moom mooy passe bi mu def mu Yali mais à part ça il a muselé Vinicius Junior da ko daal di téye ko ci poche am la ko def Youssouf Sapari Sabari gay yi kii nañ ko jëli nañ ko jëli wala bok ah gay bu féké nak fokh ñu changer sélectionneur pour ñeu aussi nañu changer sélectionneur ou pas on ne sait pas mais en tout cas si c'est boo ñu dégg demal jëli Sabari demal bàpp ko boo mënul bàpp waxal keneen ku jégué équipe nationale ku la gëna mëna wax wala mu dem dal di koy wax ak mom parce que on a besoin de ce gars actuellement on a un problème sur le côté droit Aliou c'est nangul jëli benen joueur ben arrière latéral donc demal jëli Youssouf sàppali sabali demal jëli ko les amis lii moo nekkoon information yi ñu bëggoon jox wéy leen di like wéy leen di abonné bu leen fàttali mu solo dem leen gis yàlla dem leen dem leen abonné ci chaîne bi di Baba Show TikTok bi aussi eSport TV 1 la Instagram eSport interne nan ngeen gisee matchu Youssouf sàppali sabali ndax dafa war a dellu si wala warta dellu si jaa ngeen jëf